le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, Lundi 17 octobre 2016, le forum de Studio Kalangu, c'est tout de suite sur le Studio Kalangu, un espace d'échange, de débat de sujets qui intéressent les populations. Il est 18h15 minutes. Merci de rester en notre compagnie. Très ravi de vous retrouver pour ce tout numéro du forum. Diallo Maria Kenda à ce micro. 45 minutes, c'est le temps d'antenne que nous avons à passer ensemble. Bonsoir à tous. Le forum de ce soir comportera exceptionnellement deux parties. Actualité oblige, nous parlerons de terrorisme, de cette attaque qui a eu lieu très tôt ce matin par un commando d'hommes lourdement armés contre la prison civile de Koutoukale située dans le département de Kolo, région de Tilaberi, un assaut qui a été repoussé par les forces de défense et de sécurité après plusieurs heures d'affrontement. Quelle est la situation à Kolo Dans quel état d'esprit sont les populations Notre envoyé spécial Tou, Ibrahim Gado répondra à toutes ces questions. Un autre sujet qui fait couler beaucoup d'encre de salive, le planning familial. Nous verrons les raisons de cette pratique et les méthodes utilisées pour l'espacement de naissance. Et pour cela, vous entendrez un spécialiste, un spécialiste de la santé, de la reproduction et un guide religieux. Alors je disais un autre sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, le planning familial. Nous verrons les raisons de cette pratique et les méthodes utilisées pour l'espacement de naissance et pour cela vous entendrez un spécialiste en santé de, la reproduction et un guide religieux musulman. Je le disais tout à l'heure, nous envoyé spécial Laura Tou, Ibrahim euh, Gado qui est présentement à Colo. Euh, Laura Tou, euh, vous êtes en ligne. Laura bonsoir. bonsoir Vous êtes actuellement à, Colo. C'est bien cela. Dites-nous quel est le climat, l'ambiance à Colo. Les gens étaient effrayés dans la localité de Koutkalé Ils étaient traumatisés suite à ce qui s'est passé au niveau de la prison. Alors, euh, euh, euh, vous avez rencontré des, témoins. Est-ce que qu'est-ce qu'ils vous ont dit Oui, Mariam, c'est l'un des témoins. Il y a eu échange de tirs entre les forces de l'ordre et des assaillants aux environs de 4 heures du matin un des témoignages de du raconte, je dis, j'étais au lit quand j'ai entendu le pieds. Je n'y croyais pas. Je suis sortie de ma chambre voir vraiment ce qui se passe. En sortant, j'ai aperçu quelques éléments des forces de l'ordre. J'ai rebroussé chemin. Je rentrais dans ma chambre quand deux cartouches ont frôlé ma tête. Face à cela, je me suis mise la la sur mon hangar. N'empêche, les cartouches traversaient ma cour. En même temps, les forces de l'ordre diraient crier dans toute la zone. Je les entendais aussi téléphoner à d'autres pour leur dire de ne pas venir dans le village car il n'y a pas d'accès. Du coup, je suis rentrée dans ma confusion et je ne suis plus ressortie jusqu'à la prière de l'ordre au moment où le calme commença à s'installer. Alors, Parmi les femmes que nous avons rencontrées, il y a une qui nous même dit qu'elle a dit à son mari de quitter définitivement le village par peur. Euh, Laura Tou, euh, nous allons euh, continuer dans cette émission. à présent, nous écoutons un autre point de vue, celui de Goumour Igubita, un ancien rebelle nigérien expert en questions sécuritaires et doctorant à l'Université catholique euh, de Louvain à Bruxelles. Il explique pourquoi les terroristes du Moujao ont tenté d'attaquer la prison de Koutoukale. La recrudescence de ces attaques, euh, il faut savoir qu'elle intervient dans un contexte régional, notamment les renforcements de tous ces groupes euh, terroristes au centre du Mali. Donc ça, c'est la nouveauté qui participe à la jonction de tous ces groupes terroristes-là, que ce soit du Moujao, Mourabitoun ou ceux qui euh, ceux de mouvement PEL. Euh, la deuxième chose, c'est que c'est alimenté aussi par les conflits interethniques, euh, bien sûr, au Mali. Sans oublier qu'au Nigeria, il y a eu de récentes euh, excursions de Boko Haram aussi dans le Niger. où Il y a eu mort d'hommes. Donc tout ça, il faut savoir aussi qu'il y a eu des attaques tristes au nord vers les sites orifères du Niger. Donc là aussi, il y a un banditisme résiduel où les gens passent à travers euh, les mailles euh, du filet sécuritaire, notamment celui des, des FDS nigériens, mais aussi des forces internationales. Donc il y a un vrai trafic d'armes euh, du côté de la Libye, vers le Tchad, Boko Haram, tout ça. Donc tout cet environnement régional participe à la jonction et au fait qu'il y a ces recrudescences des attaques euh, au Niger. Après Tazilit à aujourd'hui la prison de haute sécurité de Koutekale est attaquée à l'OP. Qui pourrait mener ces attaques contre le Niger non, Moi je pense que euh, l'attaque d'aujourd'hui qui s'est passée à l'OP, donc euh, je reprends un peu le témoignage de place qui a été repoussé par les FNIS, donc les forces nationales d'intervention et de sécurité. Moi, je pense que les groupes qui ont fait ces attaques doivent. Euh, ils, sont venus d'après des témoignages sur des motos. Et donc, c'est les modes opératoires du Moujao aussi. Hein. C'est la même chose qu'à peu près c'est de Tazali, c'est aussi les Moujao. Et les Moujao, il faut savoir que c'est un peu Morabitoun. Il est euh, dirigé par Abdul Walid Sahraoui, je crois. Et donc, c'est Moujao égal Morabitoun, donc égale euh, toutes ces forces djihadistes qui sont actuellement en train de déstabiliser les centres du Mali. Donc je crois que les regards sont tournés vers, vers là, mais ce n'est pas exclu qu'il y ait aussi euh, la contribution de Boko Haram, parce que vous vous souvenez, la prison civile euh, de Niamey aussi a été attaqué euh, à l'époque par des éléments de Boko Haram. Il faut savoir qu'il y a une vraie jonction entre Moujao et Boko Haram depuis 2013. Quel est l'intérêt de Moujao ou bien de ces terroristes à attaquer une prison civile euh, au Niger Le premier intérêt, c'est bien sûr de libérer leurs éléments. Il y a beaucoup d'éléments de Boko Haram comme du Moujao qui sont dans les prisons nigériennes. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est aussi, euh, c'est aussi une manière pour eux de déstabiliser le Niger, parce que le Niger est impliqué dans les conflits entre le Mali et l'Azawad, euh, dans les forces onisiennes. Et le Niger aussi euh, est impliqué dans les forces régionales africaines qui mènent la guerre contre Boko Haram. Y compris le troisième point, c'est bien sûr l'installation des bases étrangères au Niger. Donc tout ça, ça fait, on va dire, des occasions pour ces groupes pour se coordonner et attaquer le Niger. est à 50 km de Niamey. Est-ce qu'aujourd'hui, les habitants de Niamey euh, peuvent s'inquiéter il faut savoir que le Niger a eu des rapports très très alarmistes depuis une dizaine d'années, qu'on assiste à une partie de la population qui est en train de se radicaliser. Donc, euh, du radicalisme d'une certaine phase de la population qui prouve quand même ou qui appuie le test des djihadistes ou des radicaux, que ce soit au Nigeria beaucoup plus au Nigeria, à Boko Haram, parce qu'on on partage les mêmes populations. Donc ces populations-là, certaines sont à d'autres à Zender, d'autres à Gifa. Tout comme les Mali, on partage aussi les mêmes populations, les mêmes, euh, euh, les mêmes types de radicalisme, on va dire, euh, ou des mêmes thèses. Et donc tout ça fait qu'il y a des cellules dormantes partout au Niger aujourd'hui et que la grande myopie actuelle des de FDS, c'est que le Niger ne dispose pas des vrais services de renseignement extérieurs ni intérieur. Maintenant, il faut attendre à ce que les alliés se déploient, les nouvelles bases, parce que les Français étaient là depuis 50 ans. Hein. On ne voit pas ce que ça a changé. Voilà, vous avez évoqué euh, les bases euh, étrangères euh, qui sont installées un peu partout au Niger. Donc, comment vous interprétez l'installation de ces bases militaires moi, je ne suis pas pour les bases militaires. Euh, je crois que ça a toujours été un point euh, mis en avant par tous les radicaux, tous les groupes terroristes pour intervenir dans les pays musulmans. Donc ça, c'est le premier slogan. Et la deuxième chose, c'est que est-ce que la société civile nigérienne a été associée, ou je veux dire le peuple nigérien, à ces bases-là Moi, je n'ai pas jugé, donc ça, l'histoire nous montrera. J'ai lu juste les réactions des Nigériens. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi, vu d'Europe, euh, vu euh, les euh, le contexte sécuritaire, je pense que le Niger a justement besoin de ces bases-là parce que nous ne disposons pas de renseignements fiables. nous ne disposons pas de grands moyens pour sécuriser nos frontières. Donc, à, ce niveau, j'appuie complètement la politique du d'Issoufou et de nos alliés parce qu'on ne peut pas s'en passer. Qu'est-ce que les Nigériens doivent faire pour qu'ils sécurisent leur pays eux-mêmes Moi, je pense que les Nigériens doivent déjà se dire la, la, vérité en face. Donc, ça veut dire que les FDS, les forces de défense et de sécurité nigériennes, primo, elles doivent euh, refléter les couches sociales du Niger. Ça veut dire recruter dans toutes les régions et que la sécurité soit l'affaire de tous. Pour le moment, euh, l'armée nigérienne a pendant longtemps été clanée, on le sait ou alors il y a une ou des ethnies majoritaires, ce n'est pas un secret pour personne, ni, y compris pour les analystes euh, et experts euh, de sécurité internationaux. Donc ça, c'est le premier point équilibré, le recrutement. Et puis deuxièmement, renforcer les unités sahariennes de sécurité, parce qu'aujourd'hui, les problèmes, c'est vers Difa et vers le nord et l'ouest. Donc ça, c'est en gros des zones sahariennes de sécurité. Là, il faut, que ces corps-là reviennent conformément aux accords de paix entre la France, le Niger et les ex-rebelles. je crois qu'on voit très bien que quand les ex rébelles euh, interviennent, aux côtés de FDS et de FNIS, je crois qu'il y, a des résultats probants et le Niger ne doit pas ignorer ça à un moment où la nation est en danger. Dans cette euh, situation, qui doit faire les populations pour appuyer les FDS Je crois que les populations, ce qu'elles doivent faire, c'est déjà coopérer partout avec les FDS, mais aussi il faut que du côté le gouvernement implique les populations. Ça veut dire que chaque région doit recruter ses propres filles et filles parce que c'est aussi euh, du travail, donc c'est aussi d'autres enjeux, euh, pas seulement ces Donc une fois que les locaux participeront à leur propre sécurité parce qu'ils connaissent mieux leur région que quelqu'un qui est affecté de l'ouest qui va à l'extrême est ou quelqu'un du sud qui va à l'extrême nord. Donc c'est ainsi de suite. Hein. C'est bien pour les Sahariens aussi, ils peuvent venir du Sahara, ils ne connaissent pas ce qui se passe au bord du fleuve. Donc euh, ça c'est la nature même euh, du pays qui fait ça et de nos cultures. Donc je crois qu'il faut mélanger tous ces mondes-là, mais il faut aussi que tout, on mette, euh, on mutualise les renseignements et les expériences des uns et des autres, notamment de contingents des ex-rebelles qui sont là, qui attendent euh, une orientation sociale. Je crois que c'est l'occasion. Ah, merci beaucoup, Monsieur Romer. Merci à votre studio, merci et grand bonjour à Diane. Vous venez d'entendre Goumou Igubita, un ancien rebelle nigérien expert en questions sécuritaires et doctorant à l'Université catholique de Louvain à Bruxelles. Il a été joint au téléphone par Tarnan Foudé Ahmad. Partons tout de suite pour la deuxième partie de cette émission. 那怎么得？我得，我得了，不 <laughs> 是，要不我得了。不对不对不对不 l'avez pas reconnu, cette voix est celle de Fatih Mariko, euh, une chanson qui parle de planning familial. C'est ça, le planning familial, le titre donc de cette chanson. Pourquoi le planning familial Quels sont ses avantages Avec quels moyens la pratique-t-on pour répondre à toutes ces questions, nous avons interrogé Hassan Atamo, expert en santé de la reproduction, ancien directeur au centre de santé de reproduction de Niamey. On l'écoute. La définition du planning familial qui a été adoptée par le Niger, c'est l'espacement des naissances pour euh, réduire les mortalités maternelles et infantiles euh, qui sont liées aux grossesses précoces, nombreuses, rapprochées, mais aussi au sévrage brutal des enfants. Voilà, en tout cas jusqu'à présent, ce qui est retenu comme définition de la planification familiale au Niger. Alors, la planification familiale au Niger, comment se présente le paysage euh, de cette euh, pratique Et le paysage euh, est encourageant puisque nous avons une forte volonté politique appuyée par toutes les autorités politiques du pays. Et nous avons aussi l'appui de la société civile et l'engagement des partenaires techniques et financiers donc, qui nous accompagnent dans notre œuvre de planification familiale au Niger. Pourquoi faut-il euh, parler de planning familial Une volonté politique très forte. Pourquoi euh, cette nécessité aujourd'hui dans notre pays euh, À l'heure actuelle, il n'y a pratiquement aucun pays au monde qui ne pratique pas la planification planification familiale. Les premiers programmes de planification familiale, en tout cas, ont concerné des pays comme l'Inde et ensuite des pays comme la Chine ont suivi. Il a été démontré que la planification familiale sauve des vies. Elle permet de réduire, par exemple, la mortalité maternelle de 25%. Elle permet aussi de réduire la mortalité euh, des enfants et c'est un gain pour tous les pays qui pratiquent la planification familiale. Au Niger, euh, la mort mortalité euh, infantile. Euh, avez-vous par exemple des chiffres euh, qui vraiment parlent de cette mortalité Ici, nous avons beaucoup de chiffres. Si on prend la mortalité néonatale, elle est de 24 pour 1000. La mortalité maternelle, elle est de 535 pour 100 000 naissance vivante, ce qui est énorme pour un pays. Si vous comparez, il y a des pays développés où cette mortalité maternelle est de 2 ou 1 pour 1000. Vous voyez la différence. Par rapport à la population, je veux dire à l'augmentation de la population, et quels seraient les avantages euh, euh, de la planification familiale pour notre pays Nous avons beaucoup de taux qui sont alarmants, tels que l'indice synthétique de fécondité qui est de 7,6 enfants par femme, qui est le plus élevé au monde, pour le rappeler. Nous avons aussi un taux d'accroissement qui est de 3,9 pour 1000 et qui est vraiment important. Ces taux ne sont pas en adéquation avec euh, notre croissance économique. Et ce n'est pas un problème de, surpopulation, mais c'est un problème de bon sens. Il faut regarder ce qu'on produit, est-ce que ça suffit aux populations. S'il y a une inadéquation, alors il faudrait revoir certains aspects ces différents taux que nous avons, surtout l'indice synthétique de fécondité, et il a été démontré qu'aucun pays au monde ne s'est développé avec un tel indice synthétique de fécondité. C'est un choix qui est là, où nous prenons les choses en main pour assurer le futur de nos enfants, où nous subissons et nous allons continuer toujours à être en mauvaise posture dans le monde. Alors, vous êtes spécialiste en santé de reproduction. Dites-nous quels sont les conséquences pour une femme, par exemple, d'avoir des, grossesses rapprochées, d'avoir des, des, grossesses précoces et surtout aussi des, grossesses, euh, en tout cas, qui ne respectent pas peut-être la, planification familiale Bien, c'est en matière de santé de la reproduction, c'est ce qu'on appelle les quatre D'abord, euh, une grossesse euh, très précoce, c'est-à-dire une femme jeune de moins de 18 ans qui tombe enceinte. Elle a beaucoup plus de mal chance de mourir ou d'avoir une complication avec cette grossesse ou une femme qui a des grossesses trop rapprochées, elle aussi, elle a beaucoup de malchance de mourir les suites d'une grossesse ou d'un accouchement ou une femme qui a des grossesses trop nombreuses, là aussi, elle court beaucoup plus de risques. Et donc, la femme qui a beaucoup de grossesses, et chaque grossesse épuise la femme, épuise son corps et fatigue son utérus. Donc, si son corps et son utérus ne se reposent pas, et fatalement, un jour viendra où elle connaîtra une complication qui pourrait lui coûter la vie. Maintenant, le dernier trop, c'est au-delà de 35 ans. Une femme qui est âgée de plus de 35 ans aussi a plus de risques de mourir ou d'avoir une complication liée à une grossesse ou à un accouchement. Alors, la planification familiale, comment se fait-elle Avec quels moyens arrive-t-on donc à, à la planification familiale Il faut rappeler qu'ici au Niger, euh, les contrats contraceptifs sont gratuits. La planification familiale est gratuite dans le secteur euh, public et bientôt dans le secteur privé. Et nous disposons d'une euh, large gamme de produits contraceptifs pour permettre aux femmes de choisir elles-mêmes le, le, nombre euh, de mois ou d'années d'espacement qu'elles désirent et le type de produit qu'elles veulent. Nous avons ici dans nos services de santé des contraceptifs oraux et nous avons aussi des contraceptifs injectable nous avons des implants contraceptifs, le dispositif intra-utérin, des préservatifs. Nous avons vraiment une gamme suffisante pour permettre à toute femme de faire un choix éclairé, libre, sans en tout cas intervention ou coercition de quelque nature que ce soit. Alors, on a rencontré beaucoup de femmes qui parlent, par exemple, de, de contraceptifs dont vous avez parlé, mais qui disent, certaines d'entre elles disent que eh, c'est des méthodes qui sont des méthodes à risque, ou souvent eh, c'est la prise de poids. Eh. en tout cas, les euh, femmes qui se plaignent beaucoup de, de cette méthode. Pourquoi est-ce que souvent autour quand même de ces pratiques-là, on rencontre des problèmes Il n'y a pas de produit sans effet. Donc ça peut être un, effet indésirable ou un effet secondaire. Il en est de même pour euh, les contraceptifs. Et les corps des femmes ne sont pas les mêmes. Une femme peut réagir à un produit, une autre peut le tolérer. Et nous expliquons toujours aux femmes pour chaque produit choisi, voilà les avantages, voilà les effets indésirables qu'elles pourraient en tout cas avoir. Maintenant, si ces effets indésirables persistent, nous avons les moyens ou de les traiter, de les prendre correctement en charge ou de changer de contraceptif euh, convenable pour la femme. À côté de la contraception moderne, est-ce qu'il y a euh, une autre méthode qui pourrait peut-être euh, aussi euh, permettre la planification familiale Bien, là c'est surtout en ce qui concerne les jeunes parce que nous avons l'abstinence pour les couples légalement mariés. Il y a des méthodes qui ne sont pas, c'est des méthodes modernes bien sûr, mais elles sont appelées méthodes naturelles parce qu'elles sont basées sur ce qu'on appelle l'auto-observation. Donc euh, ces méthodes peuvent être enseignées. Il y a des méthodes qui sont très efficaces. La méthode du collier du cycle qui permet à la femme aussi de maîtriser son cycle. Il y a certaines autres méthodes qu'on appelle euh, méthodes synthothermiques, etc. Donc ça, c'est des méthodes qui sont là. Et pour un couple qui ne désire pas utiliser un produit, il peut utiliser ces méthodes méthodes qui sont naturelles à 100%. C'est quoi la méthode syncothermique C'est une méthode euh, qui consiste à combiner les symptômes qu'une femme va sentir au moment de l'ovulation, tels que par exemple la glaire cervicale. Elle va observer la, sa glaire cervicale régulièrement elle-même pour voir sa consistance et à partir de ça, elle sait si elle est en ovulation pour déterminer ses périodes fertiles. Maintenant, en même temps, elle peut prendre sa température pour pour voir les variations de température qui lui permettront de comprendre quelle est sa période fertile. Le collier du cycle aussi est basé aussi sur la fertilité de la femme. Voilà un peu toutes ces méthodes naturelles sont basées sur la période fertile de la femme. Et ça, c'est pas trop compliqué, c'est pas aussi euh, avec des risques. Hein Bien, l'efficacité est réduite, très réduite. Euh, donc certaines euh, sont efficaces à 75%, mais la méthode euh, des jours fixes ou du collier est efficace à 95%. Maintenant, ça c'est des méthodes naturelles, bien sûr. On les propose aux couples qui ne désirent pas tout de suite ou bien qui sont prêts à prendre le risque. Elles peuvent être très efficaces chez certaines femmes et pas du tout chez d'autres. Une autre méthode, peut-être l'allaitement. on dit que quand une femme allaite jusqu'à, par exemple, un certain temps, elle ne tombe pas enceinte est-ce que ça, c'est aussi vérifié C'est ce qu'on appelle la MAMA, euh, la méthode d'aménorrhée d'allaitement maternel. La femme qui allaite, mais elle est efficace jusqu'à 6 mois. Elle est aussi, son taux d'efficacité va jusqu'à 95%. Donc, euh, elle est proposée systématiquement aux femmes qui remplissent euh, des conditions. Il faut remplir, c'est pas à toute femme. mais il y a trois conditions essentielles qui sont définis pour qu'une femme fasse la maman. Il faut d'abord que son enfant ait moins de six mois. Il ne faut pas qu'elle ait son, euh, le retour des règles. Et il faut qu'elle soit aussi déterminée à allaiter tout le temps son enfant, au moins une dizaine de tétés par jour et au moins une tétée la nuit. Mais à partir de six mois, bien sûr, le lait maternel change en quantité et en qualité et la maman ne peut plus protéger la femme. Elle doit prendre d'autres contraceptifs. En tout cas, ce que j'ai ajouté, c'est de demander aux femmes de discuter avec leur mari. la planification familiale, c'est une affaire du couple et les hommes doivent être impliqués parce que le plus souvent, quand on parle de planification familiale, on s'adresse uniquement aux femmes, alors que pour que la PF e ait une chance de succès, il faut qu'elle soit l'affaire du couple. L'homme et la femme doivent prendre la décision ensemble et se soutenir mutuellement. Non seulement au niveau scientifique, ça a été prouvé que plus le conjoint est impliqué, plus on a de chances de succès. C'était Hassan Atmo, expert en santé de la reproduction, ancien directeur du centre de santé de reproduction de Niamey. En ce qui concerne l'islam, je vous propose d'écouter l'analyse d'Ostaz Omarou Daouda Bizo, formateur en islam, imam de la mosquée à Takwa de Darasalam à Niamey. Euh, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a donné l'occasion euh, de parler de ces thèmes euh, sensibles d'extrême importance dont aujourd'hui on en parle beaucoup. Le planning familial est vu par l'islam comme étant euh, ces moments entre deux couples mariés de pouvoir euh, prendre un temps nécessaire afin de permettre à l'enfant qui est venu euh, de, s'épanouir avec ses parents avant l'arrivée d'un deuxième qui doit lui-même trouver un terrain propice euh, dans la famille lui permettant lui-même d'être bien accueilli, d'être bien élevé. Donc le président, il prend son temps pour s'épanouir avec ses parents dans deuxième milieu et le deuxième trouvera aussi un terrain préparé. C'est pourquoi l'islam, euh, Allah a voulu qu'il soit, qu'il soit au niveau des êtres humains un planète naturel et biologique que nous connaissons. La femme qui allait normalement, donc la science, ne doit pas être en mesure euh, de féconder jusqu'à ce qu'elle finisse réalité à cause d'un certain nombre de mécanismes. Nous verrons dans les textes islamiques aussi à des moments précis, les personnes venaient dire au prophète sallallahu alayhi j'ai ma femme, mais je ne veux pas. Oustaz, euh, selon tout ce que vous êtes en train de dire, ça veut vraiment dire que par rapport au planning familial, la position de l'islam est claire, le planning familial est bel et bien permis. Le planning familial, c'est-à-dire une famille qui s'épanouit dans un système, comme je viens de le dire, il est permis en islam. Mais maintenant, il y a, il y a des, une par rapport à ça. Par exemple, c'est un plan familial imposé. Là, l'islam l'interdit, imposé par une politique générale. On doit sensibiliser et maintenant de s'entendre au nom d'un certain nombre de situations qui peuvent se poser à eux, vouloir qu'il y ait un certain nombre d'années entre les enfants qui Allah leur apporte. Ça veut dire que là, vous nous parlez des conditions, des conditions dans lesquelles le planning doit être... Le planning familial doit être, c'est vous Donc, en tant que tel, le planning familial et l'islam n'ont pas de problème. Et aujourd'hui, il y a un problème qui se pose. Et le planning familial semble être une solution. Alors, c'est quoi, c'est quoi le problème qui se pose? C'est quoi le problème qui se pose aujourd'hui? Le problème dans notre société. D'abord, c'est la compréhension. Il faut sensibiliser la population pour l'amener à comprendre qu'il y a une différence entre l'imitation de naissances et planifier. Moi, je pense qu'il y a une différence, hein, il faut le dire. Parce que limiter la naissance, c'est ça que l'islam intervient. Personnellement, je suis encore, j'ai oublié de le dire, formateur, formateur en islam. La formation que je donne, je dis parfois, il y a des dires dans certains mots, il suffit d'enlever ce pour que les choses soient claires. Et il y a ici limitation de naissance et de planification familiale. Tu peux planifier ta naissance et arriver à un moment où il semble être une limitation, mais l'islam t'a permis. Par exemple, si j'ai mon enfant, mon premier enfant, et j'ai décidé, là, l'islam me permet de prendre 3 ans, 4 ans, le temps n'est pas limité à l'islam. L'essentiel, c'est qu'il y ait une cause valable pour laquelle et qu'il y ait l'accord entre les deux, entre les deux conjoints. Ni l'un ni l'autre ne doit pas imposer. Et comme je t'avais dit, la deuxième condition, c'est qu'il ne doit pas être une politique générale. Troisième condition, ça ne doit pas être cette envie de limiter. Même si vous arriverez là, j'ai eu mon premier enfant, je décide après 4 ans d'avoir un deuxième. Maintenant, j'ai un deuxième, j'ai décide après 4 ans d'avoir un, ou 5 ans, ou 6 ans, d'avoir un, troisième. Ça va arriver à un moment parce que la femme, naturellement, elle a question que moi j'ai envie de vous poser là, c'est que la limitation de naissance n'est pas sortie, je veux dire le terme, l'expression exacte ne se dit pas, mais on va à, la longue aboutir à cette limitation de naissance quand vous parlez par exemple de la de la ménopause de la femme. Est-ce que en islam, avant euh, cette période, il y a un âge, je veux dire un âge euh, auquel la femme arrive et, elle ne peut plus faire d'enfants. Par exemple, on dit que de façon scientifique, c'est prouvé qu'à partir de 35 ans, c'est des grossesses à risque. Est-ce que là encore l'islam rejoint cette science En réalité, la grossesse à risque, je pense que c'est le médecin qui doit la, déterminer. des si les moyens que l'islam préconise, par exemple, pour expasser les naissances tant qu'elle allait, alors la femme, normalement, elle ne doit pas répondre. féconder. Mais seulement maintenant, il y a des situations de stress, il y a des produits qu'on prend, les manger et autres, qui semblent, c'est à vérifier par les médecins, qui semblent euh, un peu dérégler ce système. Je ne sais pas encore. Si la femme, le système naturel, il est là. Après maintenant, au temps du prophète Mohammed un homme est venu dire j'ai une femme et je ne désire pas avoir d'enfant avec elle. Et il lui a conseillé ce qu'on appelle azl. au moins d'éjaculer, de se retirer pour éjaculer hors de sa femme. Mais toujours est-il que le prophète a défini ici c'est un moyen par lequel il peut les Maintenant, on peut dire maintenant, il y a d'autres moyens comme les pilules, comme par exemple les stérilés et autres. C'est de voir, et ça c'est les spécialistes qui devront le faire, me le permet, de voir est-ce qu'il peut nuire à la femme, que ce soit à court et à long terme. Est-ce qu'il peut nuire à l'enfant, c'est-à-dire au moment où elle suspend ses traitements, si elle a une grossesse, est-ce que le produit qu'elle a utilisé ou le stérilé qu'elle a utilisé peut nuire à l'enfant Donc là, toutes ces choses doivent être étudiées. Donc si on est sûr est ça à 100%, à 70%, à 80%, à 90%, ça ne peut pas nuire. Donc, le pourcentage pour lequel que, euh, le convient à son corps, à son, sang et autres, donc il ne peut pas nuire. Il y a ça, elle peut l'utiliser en prenant en compte les conditions que nous avons dit, l'accord entre les deux épouses, qu'il y ait une raison valable. Il est possible de le raisonnement humain. Ça, est-ce que l'islam le permet Il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a interpellés dans plusieurs passages du Coran à utiliser notre raison. القران او على قلوب اقفالها افلا يتدبرون القران ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا كتاب انزل الله اليك مبارك ليتدبروا اياته وليتذكر اولي الالباب سي باساج مو بارل دو زوتيزاسيون دو نوتر انتيليجونس بور ريفليشير ان نو كونترولا دو نو سورتير دال لو كادر اسلام لا انكور اون بو دير كو لا لي ميثود مودرن دو كونتراسيبتيف كان ميم سون بيرميز سون بيرميز Si, si c'est à étudier, il est possible, et ça aussi, je me mets sous le de médecins, quand on prend par exemple une pilule, elle peut convenir à une femme' d'enfant et autres. Ils peuvent dire, et ça c'est leur responsabilité, c'est moi qui l'a utilisé. Et si tout ça est confirmé par le médecin, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème Non, si le médecin confirme, il n'y a pas de problème. Donc l'enfant, il a cette portée à l'islam qui dépasse ses montres. Une religion sans limite. Le bien de ses montres ne vaut pas à l'enfant. Le pouvoir, tout. L'enfant est ce que nous avons de plus grand, de plus cher, c'est notre plus grande entreprise. Toujours il qu'il faut s'occuper de lui. Donc c'est pourquoi dans ces soucis, Donc, il s'est permis d'espacer. Autre aspect de, ce thème très important, c'est quand même l'aspect économique. Ça veut dire aujourd'hui, si euh, on décide de, faire, euh, le, de pratiquer le planning familial, euh, je parle toujours du, du, point de vue islamique. Est-ce que ça veut dire que sur le plan économique, on a quand même des avantages C'est de façon individuelle que les gens doivent se penser. C'est cela qui fait cette politique générale qu'on veut par, elle imposer ces planètes. Je pense que là aussi, il faut trouver un, moment où on va faire des débats. Est-ce que véritablement la démographie est un enfant au développement La population, plus elle est nombreuse, plus le développement est possible. Et surtout, observe ce Niger avec, euh, avec son espace que nous avons. C'est parce que nous attendons de l'extérieur une aide que nous avons pour notre population. Si le jour où nous allons comprendre, c'est que ça veut dire sensibiliser l'être humain, former l'être humain. Aujourd'hui, on fait une formation sélective craindre que tous les Nigériens et le bac. Pourquoi le craindre Avoir un système de formation de masse où tout le monde sera formé et tu seras surpris de ce que l'être humain peut faire. Tu peut transformer l'impossible que tu ne sais pas. Donc, je ne crois pas. Il y a la Chine aujourd'hui qui est un exemple. Il y a aujourd'hui le Brésil qui est un exemple. Il y a aujourd'hui l'Europe avec ce qu'elle a comme, euh, la démographie qui est en train de vieillir. Il manque, un, qui est un problème. que les deux enfants que nous avons, les scolarités sont là, c'est vrai, ils vont nous le dire. Bizo, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Oustaz Omarou Daouda Bizo, formateur en islam, imam de la mosquée Attaqua de Daraslam. Euh, nous revenons sur cette chanson euh, de, chantée par les trois Fatih, Fatih Mariko, Fatih Soga, Fatih Niger. C'est ça le planning familial. 那怎么得？古代古代那叫， <laughs> 不是，什么妖怪？古代那叫逮，古代那叫 le planning familial chanté, je le disais, par les trois euh, Fatih. Euh, pour vous permettre toujours de terminer cette émission en beauté, nous allons écouter une autre chanson, cette fois-ci de, Fatih de Fatih Marico, une chanson spécialement dédiée aux nouveau-nés. que euh, la démographie au Niger euh, est, réellement problématique. Euh, c'est ce que nous avons retenu de ce débat. Nous avons aussi retenu qu'un enfant, c'est tout ce qu'il y a de plus cher au monde. Nous reviendrons certainement dans d'autres, dans nos émissions prochaines sur ce grand débat de la démographie ici au Niger. Voilà donc Fatih Marico qui chantait spécialement pour euh, les nouveau-nés. Merci infiniment, fidèles auditeurs, d'être restés à l'écoute de cette émission, le forum du studio Kalangou. On se donne rendez-vous demain à la même heure pour un autre sujet qui intéresse, qui vous intéressera.